creo que c'est toujours un plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs des programmes du studio Kalangu. Bienvenue à vous tous dans cette émission qui rythme la mi-journée tout au long de la semaine. Pour la présentation de ce matin, vous avez Habiba Ahmed et Samira Wafi. À la technique, nous avons Issa Lawali et à l'édition, Adama Dawaki. Alors bonjour Habiba, en forme ce matin Super bien. Qu'avons-nous pour nos auditeurs dans nos différentes rubriques du jour, Samira Comme d'habitude, Habiba, nous débutons avec notre flash info présenté ce matin par Nafisa il y aura la rubrique hebdo sur l'éducation numérique, du sport, du loti avec les infatigables femmes du studio Kalango. Les reportages à région nous amènent ce matin à Zender, plus précisément à Matamei, pour voir comment la population s'active pour le préparatif de la fête de Ramadan. Aujourd'hui, à Biba, la partie invitée, nous amène à la découverte du groupement des femmes maraîchères à à Soadinkai de Filingue avec euh, sa présidente Halimo Labou spécialement pour ce mois de Ramadan, chers auditeurs, vous aurez des conseils avec des spécialistes en nutrition et en religion, suivis de nos astuces beauté et bien-être dans la rubrique rose, sans oublier notre espace cuisine. Super, alors Habiba, on est parti pour une heure de partage sur Kalango. Voilà, chers auditeurs, nous ouvrons cette émission avec les flèches info présentées ce matin par Nafissa Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Habiba. Bonjour Samira. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous. Le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères a, au cours d'une audience hier 3 avril, formellement exprimé à l'ambassadeur algérien au Niger les protestations du gouvernement nigérien contre ce qu'ils appellent le caractère violent du mode opératoire utilisé depuis quelques jours par les services de sécurité algérien dans des vastes opérations de rafle dans certains quartiers de la ville de Tamarasasset où vivent des ressortissants des pays subsahariens dont de nombreux Nigériens. Il a ainsi demandé aux diplomates algériens, je cite, d'intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que ces opérations puissent s'effectuer dans le respect de la dignité ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes. Dans un arrêté en date du 2 avril, le gouverneur de la région de Difa demande aux détenteurs et conducteurs des véhicules Golf et El Krukura d'être en règle en matière de circulation dans la région, et cela qu'il s'agisse du dédouanement, l'immatriculation, la détention du permis de conduire et le respect du code de la route. Tout contrevenant à ces mesures prises sera passible des sanctions conformément à la loi, a conclu l'arrêté. Le directeur régional de l'éducation a indiqué hier sur les médias que les activités académiques 2023-2024 du premier et du second trimestre se sont déroulées dans de très bonnes conditions dans la région de Niamey. Il estime le taux d'exécution du programme entre 75 et 80 C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafissa. Je vous en prie. Alors, passe une très belle journée Nafissa. On l'annonçait dans la rubrique invitée du jour, euh, Madame Halimou Lebo, présidente du groupement Matama Inkey. Leur travail de maraîchage est plutôt exceptionnel car euh, sur le même terrain d'un hectare et demi, chaque femme a son lopin de terre qui va de 10 à 16 planches. Cela fait déjà 17 ans qu'elles sont dans cette activité. Dans cette première partie, la présidente nous effleure les difficultés auxquelles elles font face, notamment les problèmes de l'énergie électrique, car on pompe l'eau pour le jardinage avec de l'électricité. On l'écoute. matin Halimo président présidente kin matan jardin, groupe moi mata masu kai. To madalla wannan kungiyar mata nawa ne a Muna mu je a cikin list. Mai akwai ƴan Je suis le président suna list dai mu to kaka wanda ide ta zo muku ta collaboration haka bude kungiya kuma tun yaushe kuka girka ta wallahi yanzu muna da shekara goma sha bakwai muna aikin ga muna nan zami hakan ga mata sai waɗanda sun ka yi wurin ga sai sun ka ce yanzu babu zaman banza ga mata zamanin zaman banza ya shige ka to ka zamna ka rungume hannuwa kai shirin wani shi baka bai yi ba sun ka ce a musu mata masu aiki sai gardinai ya yi ta kiran mata kuma mata wadda duk ta jiya tana kiran wance wance taho ga wani abu wance taho ga wani abu mun ka to mun ka gamu hakan ga sai sun ka ce to ga hili nan mata duk wadda ga iya ta taho ta yi jardin saboda mi kakku ta kuyi zaman banza ku yi jinan ku mika hannu wani shi baku ko miji shi baku ko wani yanzu babu wannan zamani waɗansu suna da maza waɗansu ba su da maza mun ka ce wallahi mun ji daɗin ga magana mun gode mun ka taɓa mun ka ce Allah saka da alheri shikenan sun kai abinda magana da sun so yi muna duk sun kai shikenan mun ka tashi kowa ta bido kaya aiki deja sun rarreda sun rarreda sun raba sun ba kowa nashi plus mun ka to mun kai ta gina muna nan muna ta gina muna nan muna ta gina waɗanga raddi masu shigewa bisa hanya sai waɗansu sun ka ce ku diba uwayen gana mu suna ga aikin gana ta kwamalo na kakin nan mu na kamakun nan mu ina duke ina gina sai ni tashi tsaye ni dube shi ni ce bawan Allah ni ce ba aikin ta kwamalo na ba wanga aiki so da yarna, dan kanmu na muka yin shi ba dan wani na ba na takwamalon nan na da dole na kaka yin shi kuma ba dan kanka na kaka yin shi ba wanga ko yanzu dan kanmu na muka yin shi dan muyi unhwani muyi unhwani muyi mu iya mu unhwani da jikokin mu to misali yanzu aka samu sakamako mhm. kakani ake yi da shi ci ne ake saida ake kuɗi an ka same su kaka aka yi da su kamar yanzu in mun ka saida kayan wallahi in mun ka saida kowa tana maradu da abinta kowa ta sai da abunta tana ajiye abinta ta kashe bukatarta ta yi mu jikokin ta yi amma in muka samu kuɗi hakan ga kamar masu towa suna ganin aikin da muka suna cewa wallahi kun yi aiki kaza kaza akwai masu ba mu taimako waɗannan muna sa su kes muna sa su kes saboda mi dan wataran dan kayan ga namu in sun kaɓaci haka nuna muka to shi hilin haya shi ne ake koko hilin na kungiya to wallahi hili ba mu nan ga haya shi hi sibilillahi hili dai wanda ya ba mu shi ya ce mu ta aiki in mun ka gaji diyan mu su yi in diyan mu sun ka gaji jikokin mu su yi ya ce ya yi shi talabiyar ya yi shi walam ba talabiyar walam ya ce duk ya yi mu mata hilin ga na aiki a'a ba gwamnati na ba sai lubalan da farko lubalan na shi na ya yi wurin ga a nasarar ne nasara ne to yanzu wani irin kalubale ne kuke samu cikin tahiyar da aikin da naku na mutane to mu yanzu cikin aikin ga wallahi ba mu da matsalan mutane hakan ga waɗanga kamar na shige ko masu tahowa ba mu da wata matsala matsalan mu dai matsala ruwan ga ita dai ta gare mu kuma ba ruwan ba mu da ba muna da ruwan mai matsalar fakcir tun da shakan muwa sai an kawo mu fakcir in ba mu biya ba ne ta yanki mu matsalar mu kenan shi na muka roƙon dai masu hannu da shi akwai wani gudi da aka gai wurin don shawo kan wannan matsalar to in gudi mu dai gudana mafi muna roƙon dai manya masu hannu da shinu da gwamnati a raba mu da fakcirkin ga mun yi roƙon su kun gani ga depute hawa ibro na allah da ta ji roƙon nan ta yi muna fano biyu to fano gudan ya ƙone yanzu gudan na muka aiki da shi in sahi ya yi babu ruwa sai rana ta yi in mare ce yi an kai la'asar babu ruwa dole na mu kunna wuta to son da muka duddudun mu dai a raba mu da wutar ga mu samu energy dai wanda ga raba mu da ita shi da muka so mata na da kura cikin aiki kwarai kuma wallahi alhamdulillah muna samu tunda muna kashe bukatan mu laifin farkin matan duk basu da maza duk zaman kansu na su kai amma alhamdulillah ba mu ci aka mu har dai muna aikin jadanga ba mu ci aka mu wallahi muna samu mu kashe bukatanmu mu mu kashe ta mu da jikokin masu zuwa ikon duk jikan da ya kawo muka kuka sai ka shahe mai hawayen shi biskai da aikin jadayin ga in damana ta yi mun ka kare wanga na rani in damana ta yi kuma Allah ruwa mu koma mu shibka ta damana wallahi ba mu zaman banza kowa ya san ciwon kanshi to shin kuna kuna da hulɗa da gwamnati ko ko wasu abokan hulɗa dai masu zaman kansu da ke tallafa muku cikin kan yadda aikin da ko ko ku ɗaya na ganin shi da yanzu da an ka ba ku to muna da hulɗa da gwamnati me a hulɗa mu da gwamnati tun da in an ka kawo iri in lokaci yayi an ka ka iri duk ana raba a bamu ko ina ajiri tana kawo mana iri wata proje tana kawo mana iri komi dai gwamnati ya aiko wallahi ana ana ba mu shi kuma suna zakuwa mazameri haka ko maza abuga suna towa suna visit mu suna yi muna tambayoyi komi an matsalar muna ba su amsa Avant de poursuivre notre entretien avec la présidente Halimo Labo, nous allons passer au conseiller du jour. Qu'avons-nous aujourd'hui à Viva Samira, nous parlons de la Omara. En effet, la Oumara est un acte d'adoration que les musulmans qui ont des moyens exercent pour se rapprocher des dieux afin de bénéficier des bienfaits. Quelles sont les récompenses pour le musulman pratiquant qui effectue la umara pendant le mois de Ramadan Réponse avec Oustaz Haladou Yahya, prédicateur au micro de Hawa Ousmane. D'abord, celui qui fait la umara, qui veut dire euh, aller vers un endroit peuplé, c'est un invité de Allah subhanahu c'est quelque chose de très grand, de très important pour un croyant, qu'il soit l'invité de son Seigneur et Créateur le Tout-Puissant. Et l'autre avantage, ça permet de réaffirmer la foi du fidèle, de l'accroître. Et la Umrah Ramadan a cette euh, importance capitale pendant Ramadan. Toute bonne œuvre, même ordinaire, et décuplé en valeur, en récompense, en faveur d'Allah et en bénédiction. Donc la umra effectuée pendant le mois béni de Ramadan équivaut à un Hajj. C'était les conseils religieux avec Ostas Haladou Yahya, prédicateur. Place donc à Biba à la deuxième partie de notre entretien avec la présidente du groupement Femmes Matama Hadinkai. Ici, nous parlons de production avec Ali sur l'exploitation et la transformation de leur production. Et nous en dit plus. yan abincin ya yi nan cikin garin cikin gina aka saida shi ko ana kai shi yan ƙauyuka ƙauyuka a saida Walla'i ko ɗaya rana ba mu ɗauke shi muka kai shi ƙauye muka saida nan dai cikin filangi muka saida shi sai ana biɗa ba mu taɓa zuwa ɗaukar shi mu hita da shi ƙauye ba ko ɗaya rana ya ga mu cika jadayin ga tab da kaya amma wallahi abu kama ya su nan da na an mun saida. Wallahi. ne saida su wadda ta ya koko ana transformation. haka dai muka saida su danyu amma tomat muna iya mu yayyanke abin mu shanya mu shanya shi bushe muna saidawa kuma muna dake abin mu muna ajewa to madalla yanzu ɗazu kun ce wurin kowa ya san wurin shi mhm. to shin yanzu aka ce cikin matan wata ba ta da lahiya ba ta izuwa ko ko wani abu ya same ta ta zan babu shin an iyanta za su zo su yi aikin ko ko amsha za a yi a ba wani daban wallahi in iyanta na, na iyawa sai su to su aiki in suna iya in ba su iyawa sun kace ba su iya sai mu ba wata amma in iyanta na iyawa wallahi sai su zaka su yi aikin su wannan mun an sha yin shi tunda ina ganin mun kai kwambiyan dufuwa da wata tara su wata kuma ba ta iya ta tsuhuwa sarwan sun tsuhuwa disattan bakwai muna aikin ga sarwa sun tsuhu sun ce ba su iya sai ɗiyan su fito su yi in suna iyawa in ba su iya kuma sun ka ce wallahi ba su iya sai mu ba waɗansu mata wata in ta tambaya tunda shakka ne muna samun mata masu tambaya ku dan muna dan wuri mu yi aiki ku dan muna wallahi sai in ce musu ku ko ga wurin wance da ta ce ba ta iya ko ga wurin wance da ta rasu sai su kama su ta yi duk gaba ɗaya na kai duk wanda so ta zaka da sahi ta ba falolinta kuma da marce in tana iya ta ba falolinta amma ba dai mun yi wannan tsari da ba mu da fanon ga mun yi wannan tsari waɗansu su taho da maryace turkin sahe in sun ka sabka waɗansu su zaka deuxième tour su sabka troisième tour da marece wannan tsari mun yi shi ka san harkan mata harkan mata sai hankuri madalla waɗansu masu turkin sahi in sun ka hau ba su sabka sai na rana sun to sun iske su waɗansu in sun ka hau rana ba su sabka sai na marje sun to sun iske su sai da harka ta kace ta ɓaci yanzu kai duk ensemble na aka yi ni abun da nika faɗa musu duk wanda ga aiki nan na duwan Allah da ma'aiki ta bi ka'ida ta bi ka'ida wadda an ka ce ta cewa ta buga gaba abin ta ga ta bi tsari duk abin da an ka tsara wadda ga son zaman lahiya tana son ta yi aiki wurin ga wallahi sai ta bi tsari in ba ta bi tsari ba hidda ta zanyi in ta ce ta kawo wani yan dai turuwa sai in hidda ta ko mai fada ta yi warab da wanga ta yi warab da wanga ta yi warab da wanga wallahi sai mu ce mata wurin gare kya gani mata masu haɗin kai ba mu son fada ba mu son rigima in ba ki barin fada ba ki bar wuri haka nan wannan mataki na muke biskai kai gare shi wallahi to madalla muna yi sanin ko bisa kan hectare nawa eka nawa ne kuke aiki sama ga gashin to wallahi sun suna zakwa suna aunawa proje duk ta duka tana aunawa sun ce yan hectare edemina eka guda da rabi haka sun ka ce muna in sun ka zaka sun ka auna sai su ce eka guda da rabi misali cikin matan ga hamsin da bakwai ga da kunkuni kowace fala nawa ne haka gare ta kowace wurin ga tana da kamar wajen fala goma sha biyar wata na da sha shidda wata na da sha hudu haka nan kowace na da mm, babu abin da ba mu shifka babu duk abin da an ka ce ana shifkawa tomat salad shu pavoran aubergine kwankwambur furshet pom de tar duk muna shi wurin ga tibis guna kubewa babu abin da ba mu sake ga ga kotan kubewa can da an ka kebe ba mu gama ta da da wanga da na an ka kebe kubewa zuwa wallahi duk babu abin da ba mu shifkawa masara duk muna sata tunda ana kawo muna ita muna sa wata proje ta kawo muna masara wallahi ga ta nan duk mun sata to shugo akwai wani kira da zai ku ga wasu mata da annan zane ba su da aikin yi wata gan ba su da ma mai taimaka musu sai dai aikata to wallahi akwai kira ga mata wallahi mata ya kamata duk macen wata san ciwon kanta ta tashi tsaye da kanta ta raba kanta da kwanci ko da zama cikin gida ko mai miji ta ko wadda ba miji mai miji ki roƙi mijinki yau in ki roƙe shi bai raida ba gobe ki roƙe bai raida ba wallahi shi bai raida shi kai dai kwatamta mai ki kai namiji bai bayan mace kwatamta mai ki jayo hankalin shi sannu sannu mai gida dibo zaman gaba yi muna ya kamata ka bari in ta in yi aiki abun da kaka bamu da abin da nika samu sai mu gama mu ɗoki ɗiyanmu wallahi mace duk ta tashi tsaye da kanta ta tabiɗi na kanta na kai ga maganin wayayye ka a baka ka ba kanka ka ba kanka har ka ba wani yanzu wurin ga mu ba kanmu har mu ba wani wallahi gargaɗin da nika ga mata kenan ka kowa ta zamna in baki wanga ba akwai sana'a iri-iri ki sana'a ko ki turka duka wagga wallahi kina tseda da kanki amma zama dai ki zama cikin daki ki jiran sai miji shi baki wannan zamani ya shige babu shi C'était l'entretien du jour avec la présidente du groupement des femmes maraîchères de Filengue, Halima Lobo. Place à présent au conseil en nutrition. Le jeuneur qui souffre de diabète a les mêmes besoins énergétiques et hydriques qu'une personne en bonne santé pour le bon fonctionnement de son organisme. Cependant, les diabétiques ne doivent en aucun cas consommer du sucre lorsqu'il est à jeûne, explique le nutritionniste Dr Harakoy Mohamed. Les aliments sucrés ne sont pas du tout proscrits chez le diabétique. Cependant, il y a juste quelques règles à, respecter. À la rupture, il est déconseillé et même contre-indiqué de consommer un aliment sucré, sauf si celui-ci il est en état d'hypoglycémie euh, extrême. Mais s'il n'a pas d'hypoglycémie, c'est toujours conseillé pour lui de prendre des aliments non sucrés euh, comme exemple de rupture il peut consommer de la tisane non sucrée, du lait éventuellement semi-écrémé ou écrémé. Ensuite de l'eau ou euh, consommer de l'eau en première position. Ensuite consommer des aliments riches en fibres comme le moringa, la salade. Après, il pourra pratiquement consommer euh, sa date, ses fruits. Et pareil pour le sahour, euh, il doit y commencer avec un aliment riche en fibres, consommer son plat de résistance, ensuite consommer son fruit. Des propos recueillis par tout Toussoumana. À présent, on prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Si vous venez de nous prendre en cours, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée ce jeudi par Habiba Ahmed et Samira Rafi. Et l'émission est à réécouter en streaming sur notre site web www.studiokalangu.org. Le Niger sur Kalangu se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Nous sommes jeudi, les rendez-vous de l'éducation numérique. Et c'est avec Ousmane Mamoudou, le responsable du département numérique. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur l'application WhatsApp qui deviendra bientôt compatible avec d'autres applications de messagerie instantanée conformément au Digital Market Act. On écoute. Alors effectivement, ce sont les applications de Meta, donc la maison mère de Facebook, qui sont concernées WhatsApp et Messenger, Messenger, la messagerie de Facebook. Donc Meta en fait prévoit d'interagir avec d'autres applications de messagerie pour se conformer au DMA. Donc le DMA c'est le Digital Market Act de l'Union européenne. Euh, alors le DMA c'est un règlement euh, européen entré en vigueur ce 6 mars et qui vise à euh, réglementer les marchés numériques et à favoriser la concurrence en limitant le pouvoir des grandes plateformes en ligne. Grosso modo ça va permettre en fait à des développeurs tiers euh, qui n'ont pas beaucoup de moyens de se faire une place dans un espace vraiment très très dominé par les GAFAM. Donc les GAFAM, c'est les grosses boîtes tech, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mm, ok. Et qu'est-ce qui serait interopération Opérable, Alors, dans la première euh, année, l'exigence est pour la messagerie entre les utilisateurs individuels, vous et moi, donc, et le partage d'images, de messages vocaux, de vidéos et d'autres fichiers attachés, donc les fichiers joints entre les, euh, les, utilisateurs. En d'autres termes, donc, cette mise à jour, en fait, permettra aux utilisateurs de différentes applications de messagerie de, euh, de communiquer entre eux. Vous pouvez, par exemple, recevoir ou envoyer directement des, dans WhatsApp ou Messenger des messages de Telegram, de TikTok, de Snapchat et de toutes les autres applications. Donc, à l'avenir, ces exigences-là s'étendront à la fonctionnalité aussi de groupe. Vous pouvez aussi créer des groupes, par exemple Telegram, directement dans WhatsApp et aux ah. appels téléphoniques aussi. Ça, c'est vraiment cool. Et à partir de quand est-ce que ces changements seront opérationnels alors les détails exacts du calendrier ne sont pas encore connus, même si on sait que c'est déjà en cours. Mais on s'attend à ce que WhatsApp mette plusieurs mois euh, après mars, donc après la votation de ce débat là au niveau, dont on a vu que c'était le 6 mars dernier pour déployer la, la nouvelle fonctionnalité. Mais pour le moment, cette fonctionnalité sera principalement déployée en Europe et peut-être plus tard, si on est chanceux, peut-être chez nous. Et il faut avant cela donc rappeler quelques points parce que WhatsApp en fait doit expliquer comment fonctionnera cette ouverture euh, sur le plan technique d'ici le mois prochain. Donc si quelqu'un, si vous par exemple, si Fanta ou Seno euh, veut développer son application et la mm. mettre dans WhatsApp, il, faut qu'il comprenne comment. Et donc c'est WhatsApp qui doit qui, qui doit expliquer tout ça. Mais il y aura ensuite deux ans pour mettre en œuvre un premier niveau d'interopérabilité. Donc, dans les deux premières années qui vont suivre, tout ce qui est message textuel chiffré de bout en bout entre deux personnes ainsi que le partage d'images, de vocaux, de vidéos ou de fichiers joints d'un groupe vers un utilisateur sera déjà fonctionnel. Mhm. Puis d'ici quatre ans, il devra euh, ajouter WhatsApp, donc devra ajouter les appels vocaux et vidéos mais bon, les choses devraient s'accélérer du côté de WhatsApp puisqu'on sait qu'ils travaillent sur ces questions depuis déjà deux ans. Et qu'en est-il de la sécurité des utilisateurs Alors, la sécurité des utilisateurs est une priorité pour WhatsApp. Ils le savent, bon, même s'il y a des questions autour de ça, les applications tierces devront chiffrer le contenu en utilisant le protocole de signal. Donc, WhatsApp, en fait, est basé sur Signal pour ceux qui utilisent l'application de messagerie mhm. chiffrée très réputée, solide. Donc, ça devrait se baser sur ça. De plus, euh, WhatsApp permettra à d'autres applications d'utiliser différents protocoles de chiffrement s'ils peuvent démontrer qu'ils atteignent les normes de sécurité que WhatsApp décrit dans ses directives. Donc, si vous avez votre protocole à vous qui est sécurisé euh, bah, il va falloir le démontrer à WhatsApp. S'ils sont d'accord, ils vont vous intégrer. Hmm. Mais quand même, il existe des risques euh, associés à cette ouverture par rapport à une application qui est fermée, qui est entièrement contrôlée par son propriétaire, euh, où l'inconnu est, est, est assez réduit. Donc, il n'y a pas de doute, les utilisateurs seront vraiment impactés. Mais comment alors, le média Wired, donc qui est un média spécialisé dans sur les sujets tech, a interrogé Dick Brower, donc qui est le directeur de l'ingénierie chez chez WhatsApp. Et donc ce monsieur souligne que WhatsApp s'aventure euh, vraiment en terre inconnue, parce que chez WhatsApp on se pose plein de questions. Par exemple, comment les utilisateurs de différentes messageries seront-ils identifiés à l'intérieur de WhatsApp puisque on sait que WhatsApp euh, utilise les numéros de téléphone comme identifiant, tandis que d'autres applications comme Trima, une application de messagerie suisse par exemple, attribue des identifiants à huit chiffres, donc pas, pas, pas question de numéro de téléphone. Mhm. Et même si d'autres messageries se connectent à WhatsApp, euh, reste à savoir si cette interopérabilité euh, sera réellement adoptée par leur communauté. Donc vous et moi, est-ce que les gens finalement iront euh, vont adopter ces, nouvelles euh, manières de, faire ou chacun, est-ce que chacun va, préférera continuer à discuter dans son propre univers qu'il connaît. Donc, en tout, en tout état de cause, cette ouverture imposée à Meta et à ces deux services ne va pas produire ses effets dans l'immédiat. Mm-hmm. D'autant euh, plus qu'aucune messagerie n'a encore manifesté sa volonté de se connecter à WhatsApp. Et Wired a d'ailleurs interrogé 10 services de messagerie dont Google, Viber, Telegram, Signal. Et la majorité n'a pas donné suite. Snapchat, Snap par exemple et Discord, eux, mm. n'ont pas souhaité faire de commentaires dessus. Mm-hmm. D'accord. Alors, y a-t-il d'autres services de messagerie concernés par le DMA Alors, pour le moment, il n'y a que les services de Meta, donc WhatsApp et Messenger. Alors, bah, le sort d'e-message, donc e-message, en fait, il y a aussi la messagerie d'Apple qui est très, très connue dans le monde. Euh, reste en suspens parce que Apple a joué la carte de la taille restreinte de son service en Europe pour éviter une telle exigence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Ousmane. Place au reportage à région qui nous amène à Matamei, région des Enders, n'est-ce pas Samira Eh oui, Habiba, à quelques jours de la fête euh, de Ramadan, déjà euh, les préparatifs de la fête vont bon train à Matamei. Dans un salon de coiffure, les femmes se bousculent pour être plus belles le jour de la fête. Le reportage est signé à Boussaki Sali. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les préparatifs pour la fête vont bon train à Matamei, département de Kanchi. Au salon de coiffure La Rose, spécialiste en coiffure féminine, les femmes se bousculent pour le jour de la fête. Les clientes que nous avons rencontrées sur place s'expriment ainsi. To na zo dai ayi mana wankin kai ne. To an wanke mana kai kuma kitso za a yi mani. Dalilin sallar Ramadan ita ce na zo a gyara mana kaina a mana kitso saboda sallah ce mai mahimmanci. Kenan ya kamata mutum ya gyara kan shi ya hutu tsatsab. Sosai ma za su yi ba. Surtu <laughs> je suis venue au salon La Rose pour me laver les cheveux et me tresser et les tresses, ça rend la femme belle. Et je prends rendez-vous avec la gérante, je l'appelle avant de venir, elle me dit sa disponibilité et je viens. Déjà que c'est un endroit très accueillant et en plus les prix sont abordables. Pour je rentre de ce salon de coiffure, Les clientes se bousculent pour ne pas rater l'occasion de se faire plus belle. To alhamdulillahi dai muna aiki kuma muna ganin ci gaba sosai. Kamar da yanzu lokacin sallah ne. Mm. Gaskiya ba iya ka'idanci iya adadin mutanen da ake ma aiki. Masha Allah suna zuwa sosai. Wankin kai, kitso, pedicure, coiffure da dai sauransu su tisaji haka akwai yara da suke kama mini. To amma in ba sallah bace ba in dai kana harka da jama'a babu abin da baka gani sai dai kawai in ka yi karfin zuciyarka ka danne wani abin amma da kai ka tara jama'a dole sai ka yi hakuri da su to babu irin ka inda baka samu wannan salon kin ana iya cewa kulliya tana biyan kuɗin sabuli a gare ki alhamdulillah mun gode ma Allah tunda shi dama rayuwa ka ne ma ka samu après la coiffure certaines femmes disent avoir encore d'autres rendez-vous comme par exemple chez le tailleur ou la spécialiste du henné Merci Habu Sarki Saleh et un coucou à nos auditeurs de la région de Zender. Eh bien, place à présent au sport. Nous sommes avec Salamoto Kadri dans ce studio. Salamoto, bonjour. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, l'équipe nationale du Niger U17 se prépare pour une compétition qui va se dérouler à Accra, au Ghana. Oui, ce sera du 15 au 28 mai 2024. Et pour mieux représenter le Niger à cette rencontre de la jeunesse africaine, l'équipe U17 est depuis quelques jours sur pied pour une préparation générale. Mohamed Bachir Hassandi, coach Arizona, sélectionneur de l'équipe I-17 du Niger, nous explique comment cette équipe se prépare. Il est au micro de Studio Kalong. Nous avons, dans un premier temps, affaire à faire la détection et la présélection des jeunes. En deuxième ressort, il y a ce qu'on appelle le test IRM qui va leur être euh, appliqué. Et en troisième position, nous avons euh, la préparation de l'équipe proprement dite. Donc, euh, en ce qui concerne la, détection et la présélection, euh, la FENIFOOT a, a organisé un tournoi de détection qui a concerné les sélections régionales des huit régions du Niger pour permettre aux techniciens euh, de détecter et de présélectionner les jeunes les plus talentueux. Et à l'issue de ce tournoi, ce sont au total une cinquantaine de jeunes qui ont été présélectionnés et vont euh, subir le test de l'IRM dont le résultat déterminera si le joueur euh, est éligible ou non éligible pour la compétition. D'ores et déjà, en ce qui concerne ce test IRM, et euh, le lundi 1er avril, ce test a, commencé au niveau de l'hôpital de référence. Donc nous sommes en train de, vaquer cet aspect qui est le test de, de l'IRM durant cette semaine. Donc en ce qui concerne la préparation de l'équipe proprement dite, nous avons entamé des séances d'entraînement en nocturne. Compte tenu de la spécialité du mois de Ramadan, il est très difficile de s'entraîner dans la soirée, surtout euh, avec ces temps de canicule euh, et de poussière que nous sommes en train d'observer euh, dans la ville de Niamey. Donc nous avons entamé de, des entraînements en nocturne à partir de 21h au niveau de du centre technique euh, de la FENIFOOT. Donc ces entraînements vont s'étaler euh, durant tous les restants du mois de, Ramadan et tous les jeunes de l'intérieur du pays sont arrivés depuis euh, le lundi. Et ils sont à Niamey et sont en train de subir le test de l'IRM. E. Alors, Salamatou, des inspecteurs de la CAF sillonnent des pays pour voir l'état actuel des stades. Et oui, Habiba, la Confédération africaine de football, la CAF, a, a 54 fédérations membres sur les 54 pays, 22 pays se trouvent sans stade homologué, c'est-à-dire un stade qui n'est pas aux normes. Ces stades manquent d'entretien et ne respectent pas les standards imposés. Le rôle des inspecteurs de la CAF est de constater de près la faisabilité de l'heure du, terrain et d'autres infrastructures disponibles au sein du stade. Donc l'équipe nationale des 22 pays ne peuvent pas voir leur sélection jouer à domicile et match devant son public dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025 ou du Mondial 2026. Le Burkina Faso, la Guinée ou le Kenya doivent co-organiser la Cannes 2027 sont dans cette situation. Salamatou, on peut avoir quelques pays qui n'ont pas leur stade homologué Oui, Mira, parmi les 22 pays, nous avons le Bénin, le Burkina, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique, le Burundi et le Niger. Mais il faut noter que d'autres nations comme Ouganda et l'Afrique du Sud tentent de remédier la situation en apportant quelques corrections à leur stade. Les filles, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Merci Salamatou pour toutes ces informations sportives. Passez une excellente journée. Merci. Place au portrait du jour qui nous amène à la découverte d'un tailleur bilan Samira. Effectivement, Habiba Omoro Mahamadou est un tailleur ambulant. Âgé de 45 ans, il est natif de Douti mais réside à Niamey. Chaque matin, Omoro fait le tour des quartiers périphériques, un travail qu'il a commencé depuis ses 20 ans. Voici son portrait avec Omo Omoro. ni ga da dai ba shi ina na ɗani koma da tela nan dai sannu sannu dai yana jaraba sannu sannu dai da hannu kai fara dai abin dai kaɗan kaɗan dai kai babu dai to na ni ta yi dai kai alhamdulillah na ci na sha akan shi na ga kusan shekara ashirin da wani abu yana yin shi kuma lahi aikin da yadda yake alhamdulillah da abin da ka tsare aiki tsakani da Allah gaskiya kana samun abin da ka ci wannan aiki gaskiya Allah ya sa mishi albarka wa ya ka koyi aikin telanga Najeriya Lagos ne koyan shi in hito da wurin aiki shi in to in iske shi in doka in yi ta yi in yi ta yi kaɗan kaɗan dai sun kai ta gwaggwada min ni kuma hannun gane hannu ta ina sayo tela yawo dai ina nake cikin rahin asirin Allah kuma ina samun abin da ni yawo nake ina da mi can na ne dare yana aikin tela bisa bisa gana da ni komo nan yamai ciki ni ya aure ciki ni komi dai kai duk wata lela lura ta gida dai alhamdulillah an ci an sha to yanzu malam umaru yanzu shekara ashirin din gada kai kana yin shi menene kamar alheri da ka san shi da tela ne ya aure ni samu kudi ni ya aure alhamdulillah kuma kai an ci an sha to yanzu in ka ta kai ya suke ini kana iya samun nawa in ka hita wallahi alhamdulillah wani lokaci abin katari na in ba yanzu da harakar ta zanta bana babu kudi da jama'a ba akwai lokacin da nake samu jika 20 akwai lokacin da nake samu jika goma sha biyar tun da nake samu jika goma akwai lokacin da nake samu jika bakwai eh cikin ini jika biyar da ba abin gaba jikan nan hudu jikan nan uku dari bakwai ma kai gaskiya alhamdulillah in ba da harkokin na bana sun ka zan a hankali babu kuɗi ba da shigar da ni jikan nan takwas goma da ina zakuwa da su ina da jama'a sosai an san nan kalle falato kuma an san ina aiki lazare nan jidda da ina dan yawatawa ka ina da mutane duk wani da aiki ta suna kira na ka da ka iske an kira nan wurin nan biyu uku shi ka iske na hado jikan nan goma sha biyu ko jikka ashirin dan ne ka san mutum ya san ka da yi ma alƙawli ka cika ma alƙawli dai alhamdulillah duk abin da haka dai kai gaskiya kai tsakani da Allah to yanzu da sa in ka tashi ya wannan ina da ina kake tafiya yanzu dai yanzu lokacin azumin cikin kalle fulatan gare na nake tsaya station so na can nake da kile yanzu ke ga aiki na nan da can na ni ta ni dan yawo shi na tsaya na masallaci na in huta in huta in murece yan tashin dan yawo tashi in yoge tunda da in tashi ina barin kudin da za ku sayan komi kan dan to an sai komi an daidaita shikenan babu wata matsala da lokacin shawarwa shi na kawo gida ta wannan waɗannan irin eh, su zai mutum da abin da haka dai kai tsakani da Allah da aikin da za ka yi kai tsakani da Allah kuma aiki da inda ka kama shi inda yana aiki na hannu na kowane aiki da ka kama kai tsakani da Allah haka sa kanka ya yaudara aikin gare ka gani na mutanen da ne koya masu sun mutum goma sha biyar amma ke san mutum yanzu dai ka ga mutum kana iya kai mutum ka gane shi wani bai tan komi a tela ba amma na ɗebi kuɗi da hannuna na sai mai tela na koya mai amma yanzu duk banza dai ka yi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. chers auditeurs, il est temps de découvrir ce que les filles ont pour nous en trastis ou recettes de la rubrique rose. La chronique rose des filles met l'accent sur le moringa, ses vertus et quelques recettes dans les parties euh, santé et bien-être et recettes culinaires. Écoutons-les. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue de la rubrique Rosa, je suis Mariam. Aujourd'hui de la partie santé et bien-être de la rubrique Rosa, je partage avec vous quelques vertus du moringa sur la santé et quelques maladies sur lesquelles la consommation du moringa peut avoir de l'effet. On dit du moringa qu'il guérit 300 maladies. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses médecines ancestrales depuis des millénaires, ainsi d'Asie jusqu'en Afrique, en passant par l'Amérique du Sud. Nombreuses sont des utilisations de l'arbre de la vie. D'ailleurs, on utilise aussi bien le feuille que les graines, mais aussi le corse ou encore les racines les bienfaits du moringa. Avant toute chose, il est important de vous prévenir que les études sur le moringa ont bien montré sa richesse en phytonutriments. Toutefois, dans certains cas, des études sont encore en cours pour confirmer son effet potentiel sur certaines maladies. Dans d'autres, les effets bénéfiques ont déjà été prouvés. Prévenir euh, les maladies cardiovasculaires. Grâce aux propriétés antihypertensives de feuilles, ainsi que l'effet qu'elles sont également antioxydantes, anti-inflammatoires et qu'elles règlent la glycémie et la lipidémie. On peut aisément conclure que c'est une bonne alliée dans la prévention des maladies cardiovasculaires, booster la réparation musculaire. La présence de nombreuses vitamines, de nutriments et de l'isolement dans le moringa permet de renforcer vos performances physiques, mais aussi de faciliter la récupération après l'effort. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être. Passons à présent à l'espace cuisine. Eh oui, coucou les filles, c'est Mira. Dans l'espace cuisine, je partage aussi avec vous quelques recettes insolites à base de moringa. Le moringa est très riche en minéraux, fibres et protéines. On en consomme les feuilles, les graines ou encore les racines. Celui qu'on nomme l'arbre de la vie grâce à sa grande résistance à n'importe quel climat a un goût assez fort et amer, mais reste un aliment privilégié des amateurs de cuisine énergétique. Le moringa est un ingrédient très versatile. Il agrémente aussi euh, bien des barres de céréales qu'un smoothie ou un guacamole. Transformé en poudre, il relève sauce et tartinade et convient particulièrement pour vos recettes détox ou bien le consommer après cuisson des feuilles avec de la pâte d'arachide ça, c'est un classique. Alors, voici quelques recettes qu'on peut faire avec du moringa. Des barres énergétiques au moringa. Voici trois ingrédients pour une barre tendre facile à réaliser, sans sucre ajouté. Ces barres tendres associent un fruit sec, la date, la noix de cajou. On ajoute de la poudre de moringa. Vous pouvez y ajouter aussi des épices comme le cannelle ou le gingembre. On passe maintenant à la soupe détox au moringa et légumes verts. Les ingrédients sont les suivants. 1 kg de courgettes émincées, 1 litre de bouillon de légumes bio, 100 g d'épinards, 50 g de choux, 25 g de persil haché, un oignon émincé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et de poivre noir, 20 g de poudre de feuilles de moringa bio. Voilà, c'est avec tous ces ingrédients que vous pouvez faire votre soupe détox au moringa et aux légumes verts. Pour faire, euh, on fait revenir l'oignon dans une casserole à huile d'olive à feu moyen durant deux minutes. Ajoutez les courgettes et cuire pendant trois minutes. Ajoutez le bouillon de légumes et les épinards, les persils et le sel et le poivre. Laissez mijoter pendant cinq minutes Retirez du feu et laissez légèrement refroidir. Ajoutez la poudre de moringa bio et mixez à l'aide d'un blender jusqu'à ce que la soupe devienne veloutée. Servez aussitôt la soupe. Bonne dégustation. On peut aussi euh, prendre le moringa dans une infusion, en thé bien sûr pour accompagner euh, notre plat. Et à demain mes très chers pour parler toujours du moringa en cuisine mais avec d'autres informations. Merci les filles. Place à la rubrique Loti des femmes du studio Kalango à présent. Les femmes nous viennent cette fois avec la propriété dans une cuisine, vu que tout ce qui y sort est destiné à la consommation. Voici une discussion en Hausa entre Rekia Arimi et Maria Madé. Hey! iya tuwo na gode ai sai aka ce girki ne ai babu kamata <laughs> ko kuma ya banta shi ba ko kaɗan <laughs> wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya ika ma gidanki kike hmm. yi subhanallahi me nake gani gambi gambi menene mi aka yi wallahi kin bani tsoro menene ne me wannan kicin kin naki ban gane ba nyanyanyanyanya biki gane ban gane ba me nake gani a gabana haka ke a'a ke me kike gani hmm. ba komai wai ke kina da hankali ma ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki duba wannan saltan da Allah. Ai saboda yanzu na gama girki ko bayan yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba. Mm, mm, mm, duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne. Hey, duba kwanoninki duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama da Allah da annabi ki sha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata ya yi tsafta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki kaka rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lahiyar gidana dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in, kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali sosan wanke-wanke, kyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsaftace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo kwari zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma javel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji Gambi kina bani takaici. In an ganki ga kinan tsaf tsaf a waje amma kicin kinki takaici. Mm, Allah abun takaicen kuma. Ya ma wuce nan. Hmm, to, ina sauraron ki. Miye sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauɗa da wasu ƙwari cikin kicin ina? Kin ga za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su a rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya shinkafa gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka a zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau halayya ce da wallahi barinta yana da wuya kuma tun da ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare ya yayi bani maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi a gaskiya ba abu bane mai sauki akasin haka aiki ne mai yawa amma ana iya amfani da bicarbonate farin vinegar ko kuma lemon tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri don wanke maiko-maikon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ya ba wani cewa ka gashi. To, abin ta bakin ki da sauƙin yi, amma dai na san da dowa da an yi sai na kama jikina, sai na sa kuzari. Saboda tana yiwa a ce kullum da an ƙaga cin abinci zan yin shi, kawai ya kamata dai in dai saba ne. Mhm. ko kefa, kin ga a hakan kwalisa ki heta cika. <laughs> Gaskiya ko jama na gode, insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura. lahiya mikin ba haka ba mijin ke ka miki kishi ni da na san hakan za a yi da ke bude baki sai zan kishi mesdames, pour ces conseils, c'est l'heure de rentrer en cuisine. Oui, euh, et c'est pour apprendre deux recettes de bouillies touareg, n'est-ce pas, Habiba Oui, des sortes de bouillies, barala et toas, qui sont préparées chez les touareg pour le petit déjeuner. Elles sont données aussi à la femme allaitante dès son premier jour d'accouchement. Pour en savoir plus sur leur préparation, Anissé Karim s'est entretenu avec euh, Toufana Suleiman, femme conservatrice des traditions touareg résidente du quartier Toudou d'Agadez. suivant son reportage. tsohuwa akwai wani kunu na gargajiya wanda bugaje ke yi to shi wannan kunun menene sunan shi bakala sunan shi kunu sai a fuddo hasi a surfa shi a tankade a zuba shi cikin turmi a daka kunu ka tana bisa wuta in so sai ka dama in baka so dama shi kuma sai ka yi ta debowa kana barbada cikin tukunya in yadda fu gada sai ka fuddo shi a zuba mishi nono kowa ya sha ya karya in kana da busashe na busashe ne kake amfani da sai ka sa cikin cikin gorak da safe ka yi kunun ka bakalan ka da sai ka zuba ma kowa kowa sai a zuba mishi ya kare wannan kunun da ake cewa bakala da buzanci cikin kowace irin tukunya ne ake iya kada shi kowane irin tukunya ana kada shi cikin shi kuma hatsin da an ɗibo shi ana hidda mishi dussa ko kuwa haka ake ana fidda mishi dussa sai an surfa shi a bakace shi amma ba a wanke shi haka kake zuba shi cikin turmi kada. idan an yi shi yaya ne yanayin shi yake yanayin shi sa sai ka ga kunu yayi in ka sha shi ka san dai ka sha kunu sai ka gan shi yayi kabri in ka yi shi kabirin shi kamar dai tuwo in ka ci shi kamar dai ka ci tuwon lafshi bakala kowane lokaci kake so sai ka ajiye shi ka debo ka zuba nonon ka ka ci kamar dai dai tuwo yake kowane inda buzu yake bakalan nan sai ya yi inda yake duk sai ya yi shi shine karyawa in bai karya da shi ba baya jin shi mhm. shine asalin bugaji bayan wannan shi bakala akwai wani kunu kuma wanda cikin gargajiya bugaje ake yi towa sunan shi wannan wannan ruwa ake tafasa mishi a zuba shi ruwa sai a fudda mishi ruwa a sashi cikin turmi da zahin shi mata su hau shi da tabari su daka shi ana daka ana tankadewa ana daka ana tankadewa sai an yi gari in aka yi gari da da shi ne wanga ake ma mai biki kunu Sai an dafa shi hatsin ne ake daka shi ko? Mm, sai an dafa shi ake daka shi. Kun ce mai biki ake ba shi wannan kunun da ake yi. To mi da mi ake sawa cikin shi? Sai a sa teus da nan ne da manannak. Wadansu suna sa har da tago ake sa magunguna saboda gera baya ake sa mai biki da da a gama su cikin garin ga ana ta dibowa ana ma mai biki kunu Wannan magungunan da kuka faɗi duka itace ne ana samun sa ana? Wala hauli ana ana samun sa kasuwa in kai je kasuwa duk ka fade su sai a tattaro maka su kuma shi amfanin shi yana gyara mace wadda take biki ne mm, yana gyara mace da da mata suke yin su mata ne waɗannan magungunan da su ne mata suke yi shi wannan tuwa skin ya ne yanayin shi yake bayan an yi shi sai yayi masara in aka samu shi yadda fa ka zuba cikin tukunya kanwa wagga ta tigidda sai a debo a zuba cikin ruwa sai a zuba cikin shi sai a ba mai biki ta sha shi tana amfani da kunun ne har wani lokaci in tana so satin nan shi kadai wani kuma sai yayi sati biyu yana yin shi wani kuma sati gudan nan na suna kadai Merci Anissé, chers auditrices, j'espère que vous allez essayer ces deux recettes chez vous. C'est l'heure maintenant de la culture linguistique en français et en fulfulde avec Omar Hamma. Et les mots de la semaine est procrastination. Bonjour Omar. Bonjour Habiba, bonjour Samira. Bonjour. Comme ça a été expliqué dans les autres langues, euh, la procrastination, donc euh, je vais l'expliquer en fulfulde. Mhm. e ko wite procrastination ɗum kam woni hunde hooƴa aadi dey tawe fodore gon waɗi ɗum heɓay yottade woɗi hunde noon ko neɗɗo wawi hooƴude aadi ko tawe hanale hen saare non amma no woodi baasi ko ɗum wawi waddude dey tawe wona ko neɗɗo famani noon mi hooƴana o misali iri ko am mi joddoda keno e higiyo laatiɗo illucu kaku miɗen gondi na e higirako am min ɓendi hakkude amen to wakkati fuu neɗɗo noon laatiɗo na walla mo o wondi kam woni na ñaw bi'e tengu diabete ko sukkar noon ni wakkati du fuu imo wi'e to o hooƴu to o yaru sukkar sanne nden noon allah waɗi ndegon o yehi hopital ko joɗoy ton en dan sayi ɓe paddimo to min woni suka laatiɗo mo duuɓi mum keewi harto ɓurɗo mawnude harto yeyrajo am nden noon ko ƴumi yaade to loctorojo pammin ɗo min noyi ɗum wawiri tindinede iri ñawngu koata tawe neɗɗo sengu gan kanngu hikko an woodi nder duuɓi junayi ɗiɗi e sappo e jeenayi far lasara minen bandan debbo miɗen koota nden o wi kam hey mane samira mane yamɗa ƴammumi ɗum mi dañimo o wi kam mi anda mbimam taw basif wala ndene mi yahan mi ƴeewamo ko ƴumi aadi yaade ndaarowamo jango de paɓɓintinmi jangore mun nde mi ne far yamde sappo o nden mi sukaɓe no tay mi do lokkol nden no mu hore an ƴeewirmi to enɗan e don ɗon sey mi sukaɓe no kawri nden ƴamumi sukalel deyel gol mo mane dum e waɗi na on jamur terno o wi ka anda nden suka go wima a bandimi gon kaun lati. e jipaki nden jami wuro soy tawmi nimɓe no kawri dambugal ɓaade saa garimu naatumi jami to bandikko debbo ƴamu mbimi ɗume waɗi nden ɓe mbi kan mane woni heddaki nden naatumi e bojji miɗo huuɓa gite fuu non bojji kanƴum woni ko mbite ɗum danomi hoƴƴi aadi mi yahto makko de mi heɓayi yottaade noonni nden ne ɗum woni koƴol aadi iɗum wawi laatade fodore noon amma eɗum wawi latade hunde ko wattaɓe ɗum waɗan basi yaade yeeso hettiniɓe yewtere meɗen ɗo woni tomin kanani on hannden haala kamin gaddi e firtude inde nde sai waɗi wakkati gol Merci euh, Omar pour cette explication. Chers auditeurs, euh, si vous avez aussi d'autres mots ou expressions dont l'explication vous intéresse, envoyez-nous un message écrit ou une note vocale au 82 89 89 64. Ceci marque l'heure d'écouter vos messages, chers auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Alej Ibrahim Gahila. mai garin binikan to ina kuma bin gidan rediyon mu na kurfai wannan don cikin shi nake samun labarin studio kalangu da yake kullun suna sawa emission kin da duka studio kalangu suka yi don in saurare su ina ji suna magana bisa kai ga dukkan halussan da mahi yawan su da muke da sunan na wannan ma yana birge mu kwarai da yake duk wani harshe kake da shi kake ji kana shi amsa an bada labarai bisa gare shi to kuma babban abin da yake kawatar da ni suna lura da yanayi na lokaci kuma ana ina nufi inda mana ta zo suna bada labaru bisa ga haraka kwance hankali tsakanin manoma da makiyaya to wanda yake interesse na kenan kwarai saboda yana kira ga manoman da makiyaya yana tunatar da su ga azamna lafiya eh to abin da nake fata a gaba kawai ina fatan su Allah ya ƙara musu nasara su ƙara bunƙasa lokacin da yake wani lokaci an ɗauko emission kana ta tana jin daɗin ta ɗan lokacin minti goma ne ko sha biyar sai ga ƙare to ina fatan ya zama to an ɗan ƙara ma wadda aka ga tana da muhimmanci a lokacin ta shi zama an ƙara mata ɗan lokaci. Ni ne Alhaji Yahaya Usman butiye a nan filinge. Gaskiya ga harka radio kalangu gaskiya mu masauraran shi ne sosai. kuma muna amfani da shi muna jin daɗin shirye-shiryen su mafi yawa da yake ana yin su duka da harsunan da ni ina jin su duka gaba kamar wajen labarun gida dai muna jin daɗin su don waɗansu abubuwa da ba mu samu sai da radiyon ƙasashen waje to su gare su muna jin shi faɗin duk ababen da ke faruwa cikin ƙasa ya kamata su kara lokaci shi ɗan ƙaru shi zamanto lokacin yana iya ɗauka kowane halshe na ganin minti goma sha biyar na shago su kai ko talatin talatin domin su samu waɗansu sarawar shirye-shirye su kara har ma shirye-shirye na musulunci ma su riƙa taɓo shi da farko dai suna na alasan sayedi wanda an kai sayan da alasan tayar eh, to kuma game da shirye-shiryen studio kalangu ai sai dai mu ce alhamdulillah kawai saboda studio kalangu zakko wata ta ɗebe muna kewa fiye da dukkanin yadda mutum da tunani musamman kuma tana aiki da radiyon mu na garin mu muryar talaka jai? saboda kaga dai suna ba da labaru muna saurare na duniya da na gida kuma suna shirye-shirye kama da na matasa ina ganin shine na kyan fadan nan mu haɗu a fada da dukkanin saura matasa da suka gayyatowa game da tambayoyi da suka yi musu game da ayyukansu da kuma wani lokaci suna shiri bisa kai da ɗiya mata koko da yara ma masu shan nono hakan ga ko kuma wani lokaci ma kana shin dai shirye-shirye kusan ma sai mu ce ma ya a kilga to saboda haka muna godiya da studio kwalangu kwarai da gaske saboda ta waye muna kai zakkuwarta dole dai mutum ga ya saba da sauraron labaru studio kwalangu bai iya zama bai saurare su godiya nake studio kwalangu farko dai suna na mamman lawal andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na sunayen shi da hausa sunayen shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗan namiji tsakanin shi da ya mace suna shi da harshen buzanci suna shi da harshen hausa wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke ta zamanin da ta yawa wannan yana bin shi sau da kawa yanzu a wani lokaci da suka kawo na game da zamantakewar arme tsakanin mace da namiji wani irin zama ne ake yi wanda za a ta juna a ga mutuncin juna a zamana kuma lahiya cikin tsare-tsarenta da shirye-shiryenta da take banga na yaddawa ba sunana da abdullahi bubakar anan karce data alit cido kalangu muna musu barka da anniversary kinsu na shekara takwas eh, gaskiya cido kalangu shirye-shiryenta suna kayatar da mu duk emission kin da dai ka aje hankali ka saurara na studio kalangu ka samu karuwa ga na waye ma matasa kai saman sana'a hannu saman shaye-shaye wannan ai akwai ci gaba to mu dai shirin da muke so ta ƙara mishi ƙarfin gwiwa ba shiri ka wannan matasa saman matasa su dage ga neman ba dole ba su ce sai sun dogara ga gwamnati dogara da kansu na biyun kuma shine shi ma saman matasa dai saman harkar shaye-shaye ta ƙara mana ƙarfin gwiwa ta ƙara sensibilization ana waye ma matasa da kai ciro kalangu na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarun da take ko ina na jaha jaha da na labarun kasa duka dai har na ketare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma ina karuwa da su kwa so tu bisa kai ga harakan matasa wannan da suke yi sunana abdu ibrahim gaskiya kalangu ta kama na canji da yawa da dama muna yawan sauraron ta yau da gobe kun tana ci gaba kwarai kakan Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, euh, c'est la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou de ce jeudi 4 avril 2024. Merci d'avoir été des nôtres. Le plaisir était grand de partager une heure de radio avec vous. À la présentation, c'était Habiba Ahmed et Samira Wafi. L'édition était assurée par Adama Dawaki et à la technique, c'était Issa Lawoli. Passez une bonne journée. bye. bye.